Non, j'ai dit tout à l'heure que le dialogue politique se passe très bien. J'ai convoqué d'abord les partis politiques, tous les acteurs, le 9 mai. Et quand on les a convoqués le 9 mai, c'était avant le dialogue national, le président a appelé au dialogue national. Nous avons également accepté pratiquement toutes les sollicitations conformément aux directives du président de l'opposition pour qu'on puisse aller au dialogue en toute sérénité. Vraiment, au niveau du dialogue, les acteurs politiques, je veux dire, ont fait 36 séances et se sont accordés sur beaucoup de points. Nous n'avons à la date d'aujourd'hui que pratiquement quatre points que je ne considérais même pas des, des points de divergence c'est des points pour lesquels les discussions n'ont pas encore abouti. Le premier point, c'est l'élection de l'adjoint au maire et du vice-président du conseil départemental. Certains ont proposé au suffrage direct, d'autres ont proposé au suffrage indirect après l'élection des conseillers. Donc on n'a pas encore d'accord à ce niveau. Certains partis ont proposé qu'on revoie disons, le parrainage aux élections locales. D'autres partis veulent maintenir. Donc il faut qu'on s'accorde sur faut-il le maintenir et à quel taux. Certains ont dit que oui, il faut même le maintenir, il faut même augmenter. D'autres ont dit qu'il faut l'enlever. Nous ne sommes pas encore aussi au niveau du dialogue d'accord sur la caution. Certains veulent que, la caution soit maintenue, d'autres veulent que la caution soit enlevée, d'autres veulent qu'elle soit maintenue, mais à un niveau peut-être plus élevé que celui qui a été fixé par arrêté il y a de cela quelques mois. C'est trois points sur lesquels on n'est pas d'accord. Et le quatrième point, c'est la suppléance et la vacance. C'est-à-dire quand un maire ou un président du conseil départemental décède, dans les conditions actuelles du code électoral, le, vice, le premier vice-président ou le premier adjoint maire prend le relais. Au bout d'un délai d'un mois, on organise des élections entre les conseillers. Alors, on est en train de poser la question. Certains disent que puisque le maire était élu au suffrage universel, euh, s'il, direct, s'il décède, il faut organiser une élection partielle pour cette collectivité. On n'est pas encore d'accord sur le mode d'organisation. Voici les quatre principaux points sur lesquels on n'est pas d'accord. Le point peut-être qui, posait, qui également posait problème, c'était sur lequel même on avait un accord. Mais compte tenu des délais, on est en train de trouver un autre point de consensus, c'était euh, la définition des thèmes de référence par un cabinet. Nous d'accord c'est une bière pour adjoindre. Le point le nous d'accord au D'accord au aussi ci euh, parrainage parce que dafa am ñoo xam ni dañu ne nañ dindi parrainage ci local yi am ñoo xam ne ñii ne nañ maintenir parrainage ci local yi donc waxtaan boobu jubóoguñ ci dara am na ñoo xam aussi ci wàllu caution bi d'accord guñu ci

kii ko topp ci moom moo koy wuutu ñu organiser élection bu ñu organiser élection kenn ku ci nekk ci ñoom am nga sañ-sañ nekk candidat mais bii gannaaw dañuy fal élection maire bi au suffrage universel am na ñuy xalaat ne. Euh, suppléance bi euh, bu fekkente ne maire dafa gaañu est-ce war a ay élection partielle wala est dañ ko war a seen biir donc loolu lépp lu wax politique yi waxtaan ci juboo guñ ci buñ ci juboo rek mooy ñeenti poñ yi nga xam ni fondamentalement amaguñ ci consensus mais yow wax naa Sénégal moom weesu na foofu wax dëgg yàlla yéen ñëpp yéen a fi woon